dara Lala, lala. Madam, Madam, Madam, Will. voilà Vas-y madame, quelle est votre première impression après le vote? Vas-y. Micro RTS. Claro. Qual é esse microbe? FS, qual é esse microbe tudo? Já tem um pouco de micro. Descendez le micro. Vas-y. micro. le Historique. xaaral ñu jël ñu jël déclaration Anta Babacar maa Même, hein, Quand même. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui pour la démocratie Là, là, qui nous a permis de très important, qui montre la souveraineté du peuple sénégalais on a vécu quand même beaucoup de soubresauts. Mais à la fin de la journée, aujourd'hui, nous avons enfin l'opportunité de voter. Je tiens à remercier et à féliciter l'ensemble du peuple sénégalais qui a montré sa maturité politique et sa ténacité et sa forte croyance en la démocratie sénégalaise. C'est le moment également je veux dire un grand merci à tous les militants et les responsables du mouvement ARC, Alternative pour la relève citoyenne, qui ont montré leur dévouement, leur engagement, leur esprit d'innovation. Depuis huit mois, la fameuse date de lancement de notre mouvement. On a parcouru ensemble le Sénégal de Ousoui à Ourosoli, de Saint-Louis à Kolda. Nous nous étions fixés comme objectif de serrer des millions de mains de Sénégalais, d'aller au contact du peuple sénégalais, d'abord de les écouter à travers notre programme, notre tournée nationale des GDEG. On a établi un contact sincère avec le peuple et c'était également l'opportunité pour nous de leur partager notre vision, notre ambition et de leur faire vivre notre amour pour le Sénégal et notre volonté de servir le peuple sénégalais. Notre vision repose sur la démocratie, sur l'état de droit, sur la restructuration de notre économie nationale avec comme objectif d'améliorer le bien-être social. Nous avons été très bien accueillis partout sur tout le territoire national par les Sénégalais et les Sénégalaises. Et je profite de l'opportunité pour remercier, féliciter les femmes qui m'ont montré beaucoup d'engouement, beaucoup d'engagement à travers ma candidature les Une mention spéciale à ma famille qui m'a beaucoup appris, soutenue et confortée pendant cette aventure. Je demande à nos militants de rester vigilants. Nous avons mis en place un système de veille et de contrôle pour nous assurer du bon déroulement du vote. Aujourd'hui, je suis très sereine et j'ai un sentiment d'un travail bien accompli, d'un devoir accompli. C'est le moment de féliciter l'ensemble de mes co-adversaires, co-candidats, les adversaires politiques, parce que cette campagne électorale a été inédite. 12 jours pour convaincre les Sénégalais pendant la période de Ramadan au nom de la démocratie, au nom de la République. Je remercie et je félicite tout le monde et je demande à tous les Sénégalais de rester sereins jusqu'au moment, jusqu'à l'heure des proclamations des résultats. Vous avez voté dans deux groupes de vote où vous n'avez pas de, représentants Maintenant,

ci un taxaway ci sen gëm-gëm biñu gëm démocratie ñu permettre ñu nous ñu wane xar kanamu Sénégal ci taxawayam ci Afrique ak ci monde entier en tant que réew bu am démocratie bu fonk justice donc li ndam la ci ñun ci peuple sénégalais je euh, taxaw tamit féliciter remercier les responsable les militants bu ARC alternative pour la relève citoyenne Nous avons tàmbalee aventure de

suñu bëgg gi ñu bëgg Sénégal ak suñu yéene gi ñu am pour liggéeyal leen ba ciy defar nag jéggal bu spécial jigéen ñi nga xamante ne fu nekk taxaw nañu fa accueillir ñu jël candidature bi tamit def ko seen yëf seen bos ginnaaw loolu di sant di gërëm sama njaboot

ndaxte am nañu opportunité tey bindaat histoire bu Sénégal dal ko ci démocratie opportunité la tamit ma encouragé félicité yeneen candidat yi nga xamante ne ñoo àndandoon dem ci élection bi du woon lu yomb fukki fan ak ñaar pour wax ak sénégalais ñomi ñoom ñu tann sen président de la république ñu def ko ci jamm def ko ci salam donc tay ak xel bu dal ak surtout xol bu sedd dane liggéey nañ lu ñu waroon liggéey liggéey nañu liggéey bu jup liggéey bu jaar yoon donc di sante di gërëm ñëpp di ñaan yàlla au nom de la démocratie ak teg ko si jàmm ñu fal suñu prochain président wala présidente de la République de Sénégal